fada maraba da zuwa bisa kan wannan shirin na musamman da studio kalangu ke shirya ma matasan Niger chaque samedi et dimanche à partir de 17h. Le mercredi 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Du coup, nous avons saisi cette occasion da mu taɓo zancen jagorancin ɗiya mata. Duk da kokarin da magabatan kasar tamu suke yi da abokan hulɗar nasu don kyautata makomar ɗiya mata un article publié par le site nigérien Nyame les deux jours révèle que sur le plan éducatif, on constate un faible taux, 29% de filles qui sont scolarisées au Niger. Niger, Plusieurs luttes continuent d'être menées pour promouvoir l'épanouissement et le leadership des jeunes filles. Eh bien, à cette fois, installé au siège du studio Kalangu, mun gayyato 'yan kungiyar matasa don mu hiranta bisa kan irin tarbiyyar da ya kamata a ba iya mata don su samu wannan shagorancin a cikin al'umma. Mais aussi situer qui doit inculquer ses valeurs aux jeunes filles et comment pour atteindre ce leadership tant recherché. Suivez-nous, amis de la FADA, pour 35 minutes de débat, rubrique, chronique et bien sûr musique. on parle développement personnel des jeunes filles et comme invité nous avons Maimouna Garba elle est entrepreneur et formatrice en cosmétique Maimouna ça va tu vas bien alhamdulillah je vais bien to nous avons manqué sur cette émission ah, ok <laughs> ravi d'être avec toi nous avons Kadidia Idani féministe mais elle est également présidente de l'AJFSR, l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Kadidia, ça va Oui, ça va bien. C'est un honneur de te recevoir. merci. Nous avons une nouvelle invitée, une nouvelle amie de la FADA, Nadia Aboulaye. Elle est de la même structure, l'AJFSR. Ça va Oui, ça va. Tu vas bien, Nadia Oui, ça va bien. Bon, ravie de te recevoir également. Également, ravie. Merci. On précise à nos auditeurs qu'on attend encore des invités qui vont nous rejoindre en cours d'émission mais ben voilà, et on va continuer la discussion avec eux. Mais d'abord, je vous pose ma première question. Dans le contexte nigérien où la majorité des jeunes filles n'ont pas accès à l'école, a ganunku won wani irin jagoranci ne kamata a en mata zan fara da ke muna eh, barka da warhaka rabiya na ji dadin wannan maudu'i sosai da kuka doka mhm. saboda cewa eh, lokaci ne da muke ciki da mata ake nan ga samun abubuwan da ke tauye musu haƙi kala-kala mu mun haƙi ba kawai ciyarwa ba da shayarwa da sauransu amma ana buƙatar mace ta fito ta faɗi albarkacin bakinta eh, a duniya da muka sani ta da mace ko bata ta yi boko ba Eh, akwai wa'ansu inci da ta sani amma wai yanzu da an ka waye rabiya shine kuma abu yake ƙara ɗar mai mini kai kuma tare da haɗin kan sauran maza da suke dibin cewa a ah, mace bai kamata ta yi kaza ba mace bai kamata ta yi kaza ba alhali mun san da sanin cewa ita wannan mace ita ce da in ta tsayu gida ya tsayu don abun da ta kumsa shine za ta miƙa ma yaran nata yana ban mamaki in naji namiji na cewa yana bukatar iyan shi su zama kaza gidan shi ya zama kaza amma hallau ita wannan filiye na cikin gida filiye kenan ita wannan eh, ginshiki ita wannan ginshiki na cikin gida ake son a yi mata rauni kala-kala yaya gidan zai tsayu da kanshi kenan ko da mutum bai je boko barabiya mace tana bukatar abin da ake cewa sanin eh, development personnel ba don komi ba don yau da kullum kenan ke ina gane mai muna ke

elle a eu à le dire, on est quand même dans un contexte assez euh, compliqué ou euh, qui ne favorise pas le développement à la base ou l'affirmation du leadership féminin. Et c'est comme elle a eu à le dire, je me dis que le leadership féminin s'exprime par cette... Euh, commence déjà par donner la liberté et l'opportunité à la jeune fille de pouvoir s'exprimer donner son avis sur tout ce qui la concerne. Tout ce qui la concerne, qu'elle puisse donner son avis, qu'elle puisse s'exprimer par rapport à ça et qu'elle puisse être responsable de ses décisions, qu'elle puisse prendre les décisions qui vont impacter sa vie sur ce qu'elle a envie de faire, sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle veut devenir, sans qu'il y ait des préjugés ou des obstacles. Si aujourd'hui une fille a envie de faire de la menuiserie, si elle a envie de faire de la plomberie, si elle a envie d'évoluer dans le monde digital, si, si elle ne veut pas se marier avant ses 18 ans, si elle ne veut pas se marier, elle a d'autres priorités, d'autres ambitions, qu'on puisse comprendre que à chacun sa priorité. On n'a pas les mêmes objectifs de vie, on n'a pas les mêmes ambitions. Donc c'est vraiment laisser cette liberté, respecter le choix des jeunes filles pouvoir leur créer ce cadre-là pour qu'elles puissent s'exprimer, avoir confiance en elles, qu'elles puissent savoir qu'elles ont également un rôle. Elles ont une place au sein de la société et c'est ensemble qu'on peut développer euh, cette communauté-là. Elles ne sont pas observatrices, elles ne sont pas juste là pour le décor. Et, tout simplement. su ma akwai rawar da suke takawa ba kamar an zo an shifka su bane ba kamar fulawa bane hakan ga an ajiye su don ado a'a su ma kuma ya kamata a dama da su kuma a san da su kuma a ba su damar hallo su ma su ga albarkacin bakin su ana nan dai basa kan dai expression dai inkin su ne inkin su ne yawa <laughs> to kin hausa ta fara hitawa <laughs> to na ya san dawo janki to ya kamata su ta yi lakwal eh. gaskiya ba ta yi wa a ce yau ya mata suna nan a ce sai gida sai ga suna a ce wasu sai wanke-wanke sai aike gaskiya ya kamata su ta yi lakol su masu waye hankalinsu ya waye su san incinsu cikin mutane cikin rayuwa abun da ya kamata da abun da bai kamata ba duka wannan ya kamata gaskiya a ce sun same shi kuma kuma a ba su dama hallo kamar an da kadira ta gai a ba su eh. dama in ina so in zama mushallakol ina so in zama likita ko astronaut nake so in zama haka ne a eh, ba da dama zama abin da kake so ko dan jarida <laughs> eh. Eh. wallahi na da <laughs> ci gaba da wannan shirin da tambaya ta ta biyu a ganin ku wacce irin tarbiyya ce ya kamata a basu a wani lokaci quelles sont les valeurs qu'on doit leur inculquer selon vous pour que gobe ces jeunes filles deviennent les femmes fortes épanouies être quelqu'un et réaliser quelque chose eh albishirin kirabiya mhm. eh abin da nake so mutane su sani shi kamar eh, construir an enfant kamar ta da tarbiyya yaro ko a ba yaro tarbiyya ba sai in ya zo duniya ba ne ko a ce a sai in ya samu shekara bakwai tun wajen shuwakin uwa ne kenan ita wannan uwa wace iri ce kamata namiji ya samu ya kawo cikin gidan shi na ɗaya. si ya fa une femme leadership ba ma waje ba ne rabia abin nake so mata za su sani in muna zancen leadership sai aka kamar mun zake mun waye mun yi menene eh. leadership a cikin gida ne ma rabia tun da mace ce in ta zo da za ta tsara gidanta rabia ita ce tarbiyyar ita ce tarbiyyar namiji dan namiji wa puisque elle fait la continuité in dai kamar ma'aifiyar shi ta ware wani abu ita kuma za ta ci gaba da wannan c'est elle do doit épauler l'homme in an samu in fam leader et comment elle doit transmettre son leadership à ses enfants tun nan ne ya kamata a ceto uwaye ya kamata yanzu mu a hidiya kan mu bambanta wata ran bambancin mu ne ke wara shi kayan yayi hito waje sai ki shi an ce to shi wanga namiji ne yayi abin da yake so ke da an mace kenan sun yi inferiority na tun cikin gida yake tashi sai ke shi wancan an bashi yi abin da ya ga da suka ai namiji ne eh. kai ki gama kanki da shi eh. Rabia to tun cikin gidajen mu mu hara <laughs> kenan wajen ana hadi kai ma ba mu mamaki eh. Rabia namiji ya tashi da wannan cikin gida yayi ne in ne arme ça passe pas dans ma tête. C'est pas pour lui que tu as bien tu cabares chez nous. Comme ça, moi que tu as comme il est le chef de la maison, c'est bien normal. Il y a tu as barisé, tu as charré, tu as gogué, c'est ce que la société a inculqué comme valeur mais en réalité, bamu que je veux dire une des muna so mu gyara tun mu ne ya bata ya rika gyarawa et par <laughs> rapport à ça et ce que uh-huh. je voulais dire je je je mm, déjà je précise je, reste convaincu que en fait toutes les femmes sont des leaders. Ouais. Mais maintenant, comment est-ce que l'environnement dans lequel elles sont, l'éducation qu'elles ont reçue justement de la base, comment est-ce qu'elles arrivent à exprimer, euh, à, à, gérer ce leadership-là ouais. Et pour ta question, c'est tout un processus, c'est de la base. Et c'est une question, euh, le leadership des, filles doivent être euh, euh, développé par les parents. Par les parents. Et les deux Les deux, par les parents. Et pour la question du choix, dont elle disait c'est le choix de la mère, j'ajouterais également au-delà du choix de la mère, le choix du père. Il faut bien choisir le, père, père, pour ses filles. Mhm. Le genre, ah le modèle de père qu'on veut donner à ses enfants, il faut bien les choisir. Si l'homme doit choisir sa femme, selon sa vision de la vie, la femme aussi doit savoir choisir l'homme qui sera le père de ses enfants. Parce que tu le sais, tu connais l'homme qui pourra t'épauler, qui pourra vraiment eh, eh, eh, créer l'environnement pour permettre à tes filles d'être des leaders, de s'exprimer, de s'affirmer, qui pourra leur donner confiance en elles. Cette force dont elles ont besoin. Oui, cette force qui pourra les inspirer en tant que personne, en tant que parent, en tant que père. Mais cette responsabilité du développement du leadership ne peut pas être seulement une responsabilité pour la femme. On est dans une société où si mon père vient au aujourd'hui dire que je ne pars pas à l'école, toute la société sera derrière mon père. Ouais, je ne pars pour pas dire que voilà, l'enfant, y compris la mère, elle, pour hein. dire, parce qu'on a convaincu la mère que l'enfant c'est pour l'homme. Et comment Aniki Gaye Kadija Machi, Oua, ah. Tanada, rawar take taka cikin irin kamar a da ɗiyanta za su tasowa uba kuma shi hallo ya kamata a ce shi ma ya bi wannan hanya ya san inda za hanyar da za ya ɗora shi to yanzu Eh, kan mu ci gaba da wannan hirar zan dawo wajen kinadiya za mu dan shakatawa kaɗan har yanzu da muna nan muna shirin wasu waɗanda muka gaita abokan namu na fara musamman ma malam kabiru dan muna so mu san abinda da musulunci ya ce bisa kan wannan tarbiyya da ake ba ɗiya mata za mu dan shakatawa kaɗan avec la rubrique rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans l'espace rose du studio Kalangu. Cette semaine, on continue avec une de nos pièces chéries des dressings, le jean. Comment le porter en respectant notre morphologie. Et en cuisine, avec Mariam, la star c'est le poivre, un incontournable en cuisine. Top, c'est parti. Comment bien choisir votre jean selon votre type de silhouette ou morphologie En effet, en fonction de votre morphologie, tous les jeans ne vous iront pas nécessairement. C'est primordial de le savoir. C'est bien simple. Vous ne devez plus vous poser de questions lors de vos achats. Le jean parfait pour vous s'adapte à votre corps. Il met vos courbes en valeur tout en floutant vos défauts. tout premier de choisir votre jean selon votre silhouette va être de vous mettre en valeur. Comment En élançant vos jambes et en galbant vos fesses. Si vous avez une silhouette en X, tous les modèles de jeans vous vont. Jean slim, jean droit, le jean bootcut, jean flare, jean boyfriend, jean 7 8 e qu'il soit taille haute ou taille normale, c'est ok aussi. N'hésitez pas à les ceinturer pour mettre votre taille bien marquée en valeur. Si vous avez une silhouette en V, les jeans taille haute, les jeans slim, le jean bootcut, les jeans flare et les jeans boyfriend vous iront en priorité. Vous vous entendez plutôt bien avec votre ami le jean. Le 7-8e est aussi à envisager pour féminiser votre allure. Évitez le jean droit qui ne structure pas le mieux votre type de silhouette et vos fines jambes. Si vous avez une silhouette en A, vous avez le choix entre le jean bootcut, le jean flare, les jeans droits, les jeans taille haute ou taille normale. Le jean bootcut, car sa forme évasée dans le bas équilibre vos hanches et l'allure générale de votre silhouette. Le jean flare, car il vous élance si vous le portez avec des talons. Le jean droit, car il structure vos jambes. À éviter, les jeans slim, qui fait ressortir vos hanches. Passons à la cuisine à présent, Mariam. Coucou les filles, c'est Mariam. Ce soir, on va parler du poivre. Trouver la bonne dose du poivre. L'ajout d'un poivre de qualité peut tout changer à la saveur d'un plat. Il serait donc dommage de se contenter d'une variété médiocre ou banale. Le bon réflexe pour exploiter tous les potentiels de ce condiment. Oubliez le poivre gris mélange douté pour profiter de sa magie dans les plats. Il ne faut surtout pas l'écraser, concasser les graines et on achète le poivre en petite quantité pour le renouveler souvent et garantir sa fraîcheur. Les bons poivres ne piquent pas. Un bon poivre ne picote pas le nez et ne fait pas éternier. Si c'est le cas, c'est qu'il est trop vieux ou mélangé à de la poussière de poivre. Bon à savoir. Pour éviter de le rendre piquant ou irritant pour les intestins, on se garde de le cuire en l'ajoutant au dernier moment. On profite au mieux de ses saveurs et de ses vertus antiseptiques et digestives vert, noir, blanc ou rouge, quatre couleurs pour quatre saveurs. Voici les quatre options qui existent et qui représentent dans cet ordre les différents stades de maturité de la plante. Le vert très frais n'est pas encore tout à fait mûr, le noir végétal l'est presque, le blanc concentré, cueilli à pleine maturité et rincé à l'eau pour ne garder que le noyau, le rouge fruité et très mûr. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on verra comment utiliser et mettre en valeur cette épice dans nos plats. Merci Mariam pour euh, ces informations sur le poivre. On se dit à demain, amis de la rubrique rose. Mais avant de se quitter, direction la France avec Baby, ce hit du nouvel album de Ayana Kamura sorti en janvier dernier. On surkiffe ce son. toi toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. J'sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je sa nana. Me faire des mini J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi, je suis dans celle-là. Là. J'ai senti, j'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout et et tout. Entre nous c'est trop tard parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon tati. Hey, baby, veux devenir mon tati. Y'a comme un truc qui me dérange. Tes manières qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange. C'était la rubrique de l'émission Tout ça à la Fada. On revient aujourd'hui à la Fada installée au siège même du studio Kalangu. 8 mars, accueilli et salle la cap à yanzu kuma muka ce bar mu leko su kuma iya mata mu zo mu zancen jagorancin nasu shi yasa mu gaito kungiyoyin matasa don mu zo mu yi hira da su bisa kan wannan jagorancin wai a ina ne ya kamata a same shi wane ne ya kamata ya bada shi wace irin tarbiyya ce kamata a ba iya mata don gobe su zama matan da ake so su zama mata wanda suka san ciwon kansu mata wanda suke yin ma kansu komi da komi mata wanda ba za su koma shari ba su ma za a takawa da su cikin tahiya al'umma Mala. Bonjour, bonjour. To barkan ku da sukan shirin tusa lafada. Yau hira da muke nan gai. Hira bisa kan irin tarbiyyar da ya kamata a baɗiya mata. Don gobe su zama mata da suka san ciwon kansu, matan da suke iya kawo su ma su cikin tahiya al'umma, jagorancin ɗiya mata. Yanzu shi ne muke nan ga tambaya. A wani lokaci ne na rayuwarsu ya kamata a basu wannan tarbiyyar? Kuma wane ne ya kamata ya basu wannan tarbiyyar? Wai musulunci mi ce bisa kan ɗiya mace rol kin da ya kamata ta yi da la Donc sintina dai ga aigin sabu da ke shokan sai dai manci in fasara mhm. da ke shokan ni pose vraiment eh, hayin no kan kuna vraiment a gwani muhimmanci gunguma irin wani bafunara mm. zama hunkuna wai borai irin ne kamar ita mana sakaci irin ne zanga sakaci eh, borai imuni dan zankaici na do hare sistu mana izu wayai don ka izu wai bor mo irga bai kan eh, gomnino zanga irin wani societara wai bor mo goro windira wal famira wal labura wala an na'im kursuno kento wadi way borwo bereyno way bor mo kirga magane zanga way borwo ir konon way bor bere ni bumbo way bor mun tikai ne way bor mun tin zono woni banna way bor mun ti banyino kan borgi teda mat kandi bada e gonda droit mat kan kina albur mai gon e gonda zanga droit da ya dinga tarbiya kan agihima imuno wanda yai zai sai inga gati ima hagwai da zankai wai i wani education inga mangana ga sintin nya da babudo surtout manan ya ya ga na responsable jina kan a ga himanda a makai da a wani izo a wani birima. zama waiburo a samtare sevar samtare ya magana waiburo eh waiburo am gurfuna amma lokacin kira irgo donon ne waiburai ima waiburai ka tare im kogo dondon na har kangi ba funa sokon zama waiburo ga cece mai waiburo ga goi a ga cece a ga te fotoci a ga te commerce zama da wai borsu wani te mun no wai borago du norug mana zakka hanga kali baram te fo am te fotoci kali baram ceci amma ngam mutuno agte kanga na zanga a wana zanga a wana dinyitarin amma hagoida warti mana a wani muhimmanco hay kul karaw borgo dunyora wai borgo fatta aku kai kul ceci aku mana goido amma mu hagoida wani tari ni wana annimsar mu hagoida tuma mana cincin wani banda dinga fatta mu bayino borkan izinu mun nufun mun nufun fatta da manon nugo koi wal ifo nugo bani mute wal ifo nugo cece ok yanzu dai kama an da malam kabiru ko kwatanta uh-huh. ita ma diya mace eh. ba kama shuka ta za a yi cikin gida ba ka ce cikin wannan zamanin da muke ya mace ya ta a ce ta ma ta hita ta je ta yi karatu ta koyi sana'a ta koyi aikin hannu gaskiya don ta samu ita ma ko don ta bada zakkata yawa da zakkata ma sa compte coup, elle a sa contribution euh, vraiment dans la marche de la société mhm. to mun gode yanzu an ci gaba da tambayoyin na zan dawo wurin ku zan dawo wajen ki AGFSR ah na samu shi tafasi to santé la reproduction Nadia sabilin matsayin su na diya mata ko kanancin shekarun su ba kullum ba ake shuraren ra'ayoyin su selon vous dans quel sur quel aspect de leur vie on devrait vraiment prendre en compte l'opinion de la jeune fille. Maintenant, dans, la société ou dans laquelle nous vivons maintenant, les mamans ne prennent pas le temps pour communiquer avec leurs leur filles, leurs leur euh, enfants elles se disent être occupées et tout, mais quand même tout est une question d'organisation ya kamata su lokaci da parce que elles sont exposées au dehors elles savent pas à quoi elles font face au dehors elles viennent elles sont là renfermées les mamans ne prennent pas le temps pour échanger discuter avec elles et après elles vont récolter peut-être les pots cassés ou bien ceux qui a après kenan musamman bisa eh. c'est vraiment comme elle a eu à le dire. Mhm. Et le domaine dans lequel on intervient, notamment euh, tout ce qui concerne, euh, euh, quand on dit santé de la reproduction, c'est vrai, on est dans un contexte où on va penser que non, c'est pour apprendre aux filles la débauche et tout. Non, c'est justement pour éviter ça, parce que ils ont eu à le dire et Malam l'a dit tout à l'heure on, vit dans une génération aujourd'hui où il faut prévenir, il faut communiquer. Et aujourd'hui, nos mères doivent causer, doivent échanger avec les filles, que ça soit sur... Parce que dès le bas âge, il y a un moment où on appelle l'adolescence. Il y a des changements dans son corps, elle développe des attitudes, elle commence à devenir une femme, elle doit savoir comment elle va prendre soin d'elle-même, que ça soit son hygiène menstruelle, si je prends, il y a des filles aujourd'hui, elles vont voir leurs premières règles sans pour autant être préparées à ça. Les mamans ne communiquent pas. Elles ne savent pas comment prendre soin de leur corps. Quand ça commence, comment qu'est-ce que je dois faire à quoi je dois faire attention, à quoi je ne dois pas faire attention. Aujourd'hui, on est tellement exposé au numérique que quand il n'y a pas une éducation euh, sexuelle entre les mères et les filles,

kenan bisa kan wani ya kamata a ce an ba magana su daraja maimuna zan zo wajen ki kuma cikin aikin da kike wani irin kamar taimako ne kike kawo cikin wannan eh, in ce ci gaban shagorancin ɗiya mata eh haka ne rabia ballantana game da aikin hannu da muke koya ma mata eh, na yi jagoranci wata kungiya ta matan sozawa da suka kwanta hannun dama na a inates to mun yi ayyuka da dama da su rabia a cikinsu akwai mata da suka zub da hawaye saboda kama a lokacin da mai gida yana nan e, shi ne jagora a cikin gida kun ga za mu baibawa a ba mata inci su su nemi na kansu yau damuwa zancen sana'a da neman halali sai su zub da hawaye saboda a can jiya akwai wani jarumi da shi ne yake bida ya kawo yau ita ce za ta huta rabia sai da muka komo ga education germ kamar kayan ma mu koyi da aikin hannu sai da mun ka musu wankin kwakwalwa na nuna musu cewa ba wai zub da mutuncin kai bane zub da mutuncin kai shine ka ka sai da kanka fuska akwai kowane zai ce shi bai iya talla bai iya saka ni ban iya ni ban tashi da kaza ba amma ire-iren su akwai hadarin su hwada a cikin rami wanda ba su iya huta mafi aksari shine zaki ganin mace bata sanya da ake bida bata sanya da ake neman kuɗi ba amma wani na iya zauwa ya mata wayo ko kuma ba a son ta ba da ta so ta su ci abinci sai ta ta ba da kanta a wannan lokaci wanda bai sani sai kamar da rashin tarbiyya ne amma duk wadda a uwa ta san abin da ake ce ma kukan ɗa ba a son ta bane kenan shi wannan aikin hannu yau ga ranar shi kenan ko ban ta yi ecole ba ko bani da diplom wannan aiki shi ne sarrafa sabuni da mai da sauransu muna koya ma mata ya kuke shi a cikin gidajen ku balle bai kai sai kun huta ba na ɗaya na biyu kuma muna nuna musu shi wannan ita wayar da ke gare su ba dole sai kira ba sai whatsapp sai tsegumi sai abin ba a'a muka ce musu kasuwancin kama kana iya yin shi tare da wannan wayar kenan bai kai sai ki huta cikin daki ba ma in kina so a cikin ɗakin ki zaki sarrafa sabunan ki a cikin salon ki zaki ɗauki hotuna ki ɗora bisa istatu ki ɗora bisa kan facebook ne in kina so maimakon ki zo kina tallata tsiraicin shikinki to yanzu kayayyakin ki ne zaki tallatarwa saboda ki samu ki samu yan canjin ki da zaki rufa ma kanki asiri ki rufa ma ɗiyanki asiri to kun ga anan aikin hannu ya yi rana ya yi rana ba dole bane a ah, to ya kamata ina da diplom master kaza ya kamata a ce na doktora ba haramun bane samun diplom don ni da kaina ina da master kin na gode ma Allah amma yau mayar da muke nan gai ko kuma aikin da muke nan ga ya yi bisa kan aikin hannu tun da nan ne muke forman yara yan kanana muke forman manya muke forman tsohi ba dan komai dan su samu su samu abun rufa ma kansu asiri dan su samu su kare wannan inci nasu rabiya ko kana da inci in baka da kuma kudin kashewa wata rana za a tauye wannan inci tun da ka ki kaso duk yadda kake buga gaba da integrity duk yadda kake buga gaba da sai ga wata rana ana maka barazana dan baka da canji amma in kana da abun kanka rabiya zaka faɗi a saurara kuma kun shi dai kuma wani fanni hallo na neman shagorancin iya ma samun abun hannun na karatu ne na kasuwanci ne kan mu ci gaba da wannan shirin namu ko in ce mun kusa kawo karshen français hausa zamu zuwa mu dan shakata kaɗan da shi en anglais une collaboration du slammer Las et Safiat et on se reprend juste après ni papier ne peut contenir ce texte et pour moi le slammer c'est sacré open your eyes open your heart this time is yours Chaque femme est une vie qu'on veut belle. Et chaque vie est une femme que l'on veut rendre belle. D'Amsterdam à Dar es Salaam, c'est pour une mère, une sœur, une épouse que bat mon tam-tam intérieur qu'importe sa couleur. La première est celle sans qui je ne serais ici aujourd'hui, celle qui détient mon paradis au plat du pied, celle grâce à qui j'ai découvert le plus grand amour, celle qui reste en face quand le monde me tourne le dos. Ta place sera toujours spéciale dans mon cœur, ma, ma, mi. La deuxième, elle, c'est ma petite protégée. Faire sa joie est un devoir, la protéger obligatoire. Ma frangine, ma complice. Je serai toujours là pour toi, serette Open your eyes. Ouvre bien tes yeux. Ouvre-moi ton cœur. C'est ton moment. C'est ton moment. La troisième. Aïe aïe aïe. Elle c'est ma petite criminelle. Elle a pris mon cœur en otage et l'occupe entièrement. Normal. Behind any successful man et woman. Derrière tout grand homme se cache une. Euh, Zan mu dawo fara tamu yau da muka ɗora bisa kan hira da muke yau jagorancin mata. Yanzu mun taɓo ma yanzu zani zuwa ga tambaya ta ta ƙarshe malam kabiru zan zo wajen ku ina shi lokacin namu kuna cikin a ce mutane a cikin al'umma wanda kuke ganin komi kuke jin komi to wannan jagorancin da ake so ɗaya mata su samu da irin wannan tarbiyyar da ya kamata a basu don su masu san ciwon kansu su kawo abin hannunsu cikin tahiyar al'umma wai menene ke bloken shi gwamnati na yi ƙungiyoyin matasa suna yi kuma kuna yi amma har yanzu abin ya ƙi ci gaba ya ga a ce iya mata ba su zuwa lakol iya mata ba su koyan aikin hannu iya mata suna nan sun jinguni cikin gida suna shira a kawo su ci muna so mu ne ne kime da wannan yakin baya mhm. sifir hayo kulkan ci herno kan bora kulgo ga hin hinin da bor su bi manga ne rigidi manga ne paske bora kulgo kokari alfai go kokari yamurkai go kokari bora kudda kam go tirmi go kokari ta ifo go tumana masala masar mana iri bayinu zaman kuna son zankai irgun bore gun ifo zanga fundai bai boroka anince boroka an wone te boroka an wone te ifo no ifo no gin ganje ni bumbo ni mutunga kai hanga ni bumbo no bore bumbo no gima amtunga kai bor go beer no man ta kan bor yeti banna ay kan kunin mana jinu borgi tuntun watkul il faut que mon bay ifo ne ba imeteo matuna ba ai mi matuna ai mo dai te nyaru ma ite ba matuna ai himanda matuna ai zan kai bir ma ga himanda wone kunno a ga mana bor ma ka gorgi la sabu hun kuna gon ai gon mana kanzan 20 ans 35 ans ifo ti mana kokero kan ai aite wani fati kokero kan ai aite mana zanga labose wani mu ai kai ne se wani a gima bor kulmin ngalikau kaudan aga duk wani wani lasabu to kuna gida kan muraro gite Ko ji abin da malam Kabir ya ce ko ya ce uwaye su yi bakin kokarin su kuma gwamnati ma yana yi da abokan hudun shi kuma su wa'annan association association na matasa su ma suna yin kokarin suna shiga cikin ƙauyuka suna shiga cikin garuka suna waye ma matasa kai to kai ma matashi ciwon kanka kai ma ka san abin da kake so tunda so ne ake a ci gaba ba so ne ake a koma baya ba to mun gode mun gode muku duka da ra'ayin ga wannan da ka bamu ban kwana ku olivier et on se dit officiellement au revoir sur cette émission Amis auditrices et auditeurs de la FADA, chers amis, vous qui aimez ce que nous faisons, bonsoir et merci de votre fidélité. Dans la chronique de ce soir, nous allons revenir sur le thème de la journée internationale de la femme. Pour cette édition 2023, la communauté internationale s'est mise d'accord pour choisir comme thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce soir, essayons ensemble d'aller au-delà du thème et analysons les mots. D'abord, l'inclusion. L'inclusion féminine est un concept qui se réfère à la prise en compte et la promotion de l'égalité des sexes dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. Il s'agit là de garantir que les femmes puissent accéder aux mêmes opportunités que les hommes sans subir de discrimination, de stéréotypes ou de préjugés liés à leur genre. Dans le contexte professionnel, l'inclusion féminine se réfère à la promotion de la diversité des sexes, ce qui nous amène au deuxième point du thème de cette année, l'égalité des sexes. L'égalité des sexes dans les domaines de la technologie est un concept qui fait référence à la participation égale des femmes et des hommes dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication. Cette participation égale comprend l'accès, la participation, la représentation, l'inclusion et l'impact. L'accès à la technologie est un élément clé de l'égalité des sexes en technologie. Les femmes doivent avoir un accès égal aux technologies, y compris à l'Internet, aux ordinateurs et aux smartphones. La participation égale des femmes et des hommes dans les domaines technologiques est également hyper importante. Les femmes doivent être encouragées, les filles surtout doivent être encouragées à étudier l'éthique et à travailler dans des emplois techniques. Cela peut nécessiter bien évidemment des programmes éducatifs pour encourager les filles à s'intéresser à la technologie et à des initiatives de mentorat pour aider à surmonter les obstacles qui peuvent les empêcher de poursuivre une carrière technologique. Chers amis auditrices et auditeurs, J'espère qu'à travers cette chronique, vous avez compris les raisons du choix de ce thème et surtout comment assurer la promotion de l'inclusion digitale des femmes. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Merci bien, Olivier. On va se dire au revoir. Cette superbe émission. On a entendu plein de sons de cloche. On a parlé de, de l'expression, de l'affirmation de soi, de l'importance de l'opinion de la jeune fille, notamment par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être, de l'importance de, de, son autonomisation avec Malan Kabiru Yamata, mata an ce kusan kanku kuma Anti ka san abin da ke maka daɗi kuma ka gaye shi kuma a samu a shurare shi in sai in ce abota lahiya